Nous venons de démontrer à la face du Sénégal que le, le Matam reste le titre foncier du paysan Macky Sall. Notre objectif premier, comme je l'ai rappelé dans mon discours, n'est pas seulement de gagner. On va gagner, Inch'Allah. Mais notre objectif, c'est aujourd'hui de réaliser une majorité importante pour pouvoir apporter notre contribution au niveau national. Et Inch'Allah, nous sommes prêts pour relever ce défi-là et nous sommes prêts pour que Matam soit la première région du, Sénégal à donner une victoire au président Macky Sall. On a constaté quand même une absence de certains ténors du parti. Qu'est-ce qui explique cela Est-ce qu'il n'y a pas de divergence Vous savez, dans un parti comme euh, aujourd'hui la PR ou bien la coalition comme Benno, il peut arriver des fois qu'il y ait quelques divergences de point de vue. Mais ce qui est important à l'instant Aujourd'hui, où nous en sommes, c'est que l'ensemble des cadres du département de Matam, quel que soit leur bord, sont d'accord pour donner une majorité au président Macky Des programmes internes peuvent exister, mais l'unité du parti demeure dans le département de Matam. Nous sommes tous d'accord pour donner une majorité au président Macky et nous le ferons, Inch'Allah, avec l'ensemble des militants du parti. Vous savez, nous tous, nous travaillons pour le président Macky Nous tous, nous voulons une victoire pour le président Macky Chacun d'entre nous œuvre pour la victoire du président Macky Sall. On peut avoir des approches différentes, mais l'essentiel est que nous sommes ensemble pour donner une majorité au président Macky Sall. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes derrière le, coordonnateur coordinateur national, le coordinateur départemental, l'honorable euh, député Farbongom. Mais nous comprenons aussi l'engagement de l'ensemble des responsables de Matam et nous les soutenons aussi dans leur combat pour donner une majorité au président Macky Sall. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi